luñ ci luñ ci duñ ko d'accord amna na benn laaj bu yegg fi dem ci stade bi. Mhm. ci japp ne ni euh 480 millions euh millions dafa bëri par rapport ak capacité stade bi maanaam tribune yi na y a pas assez de place par rapport ak euh, li ñu ci dépenser lo ci tontu. alors limay préciser c'est que c'est une euh, information peut-être parce que souvent les gens dañuy dégg. Hmm. tour 480 millions ça n'a rien à voir avec le stade. Hmm. li may préciser fii mooy 480 millions bi c'est exclusivement pour le gazon synthétique. ok hmm. ku ko dégg ci déggin mun nga jàpp que peut-être cher Mais mais ku est sur place. on xamoon terrain bi na mu avant. rien que génie civil bi génie civil il na pas moins de 250 Je n'ai pas les détails 250-280 millions. parce que tout simplement il fallait que nous niveler ko. Hmm. boo demee ci stade bi nga le terrain bi fi démarré ak fa entre egg di nga entre ñaari camps yi dénivellement de au moins plus de 1,50 m hmm. ce qui veut dire que ay il fallait une matière spéciale pour stabiliser le terrain et pour ñi nga le ñi pratiqué. pratiquer Sénégal xamné fi fii ñun kenn ñu téra hmm. bañ ko défé ba léegi eh, wax deug yalla les gens apprécient les gens voient dañuy gis ay ay ñu jugee fenen, ñew pour ñew xol si nañ ko liggé jéem xol ban matière mais même di ñu laaj ay informations par rapport à nañ ko liggé hmm. Claude Leroy qui est un grand coach était venu tout récemment rien que pour voir l'état du terrain parce que ñi ngi préparer le jeu des jeunes gis nañ ne que terrain yi bari nañu mais gis nañ ne que dans le temps bari na terrain yoo xamante def nañ ko y a deux ans presque kii wutul donc c'est pour vous dire que de ce point de vue ñun approche évolutive nañ amoon maanaam dañuy def tribune def li nga xam ne mooy gazon. Hmm. am nañ tribune gazon daañu def extension bi def hmm. beneen tribune mais surtout def aussi d'autres disciplines et sous peu dina am programme un xamantane ne euh, dinañ ko fi gis terrain multifonctionnel terrain basket terrain handball donc un xamantane ne volleyball prévoir nañ toujours dans le stade parce que c'est pas un stade de football. Mhm. football moy peut-être discipline bi gëna a bi nga la mais ñun dañoo bëgg que tous les sportifs au pluriel mën retrouver wu à travers cette infrastructure en tout cas au niveau à travers ce stade municipal. Euh, euh, am na programme